c'est la réception des premiers des escalators donc de l'hypermarché Day to Donc j'avais promis que l'hypermarché serait doté d'un ascenseur et de deux escalators, à des escaliers mécaniques. C'est ce que nous sommes en train de réceptionner aujourd'hui, qui constitue une fierté pour moi et sûrement pour les Cablocois, étant entendu que c'est les premiers escalators reçus à travers toutes les régions du Sénégal. C'est la première fois qu'une région du Sénégal reçoit des escalators dans le cadre de, ce projet. Nous avons une promesse kaolackois quoi, ne leen hypermarché bi euh, ak infrastructure fi en Afrique Si fi nous l'Afrique de l'Ouest fii une fi a wala importance donc boobu bokk na ci hypermarché bi nga xam ne dañu décider pour def fii euh, ay équipement yu mucc ayib yoo xam ne Europe la am ay Dubaï ak yooyu moo tax tey ñuy ñuy réceptionné escalator yi nga xam ne ñoo war a dem ci biir escalator yi nga xam ne ñoo nar a euh, permettre euh, aux personnes ñu mën a yéeg ci kaw di yéeg normalement comme dans les pays civilisés, comme dans les pays modernes, pour que Kaolack aussi, euh, déjà transport transport entre Dakar et ici, problème là. nous nous ñëwee ba léegi gis nga pour wàcce ou pour guinéco. Si on est obligé de faire parce que amuñu lu ko avec tous les risques que ça peut comporter en matière de euh, court-circuit euh, de dégâts au niveau électrique ak

yi gaar wàcc bokkul nag ak escalator yi nga xamné ni ñepp eh, ñëpp mën nañ ci yéeg pour que mu gawal sen eh, ndugu marché mu gawal sen visite mu gawal sen ñëw fi bon loolu motax tax eh, loolu yëpp daal ñu koy ci hypermarché bi pour que hypermarché bi nekk hypermarché yi gëna moderne fi en Afrique donc le fait que ñu def fi kaolak naa leen du Kaolack sax njaafat la euh, euh, c'est tout simplement parce que Kaolackois dañu mérité aussi bien ñi nek Europe ak États-Unis que ñu am lu baax nek ci lu baax dëkk ci lu baax donc di di di lek lu baax bon donc lool motax ñun aussi luñu gis euh, ci lu baax ci ci ci bitim rew ñuy yenu ko indi fii